C'est la discrète inquiétude du gouvernement en ce moment. À quoi va ressembler notre hiver énergétique hein, Vous avez vu, hein, la fin du gaz, dans quelques jours aussi du pétrole russe, les retards d'EDF dans le redémarrage des centrales nucléaires, la modestie de notre parc euh, d'énergie renouvelable, bah, tout ça rend possible un scénario dont personne n'a envie. Hein. Celui, en cas de grand froid et de pic de consommation, de devoir procéder à des délestages. Autrement dit, de devoir plonger dans le noir des coins de France, comme ça, par rotation. Alors, pour l'heure, on contrôle. Là, on est dans l'anticipation à ce stade. RTE Gestionnaire du réseau se veut plutôt rassurant, mais quand même la situation est grave. Europe 1 vous révèle ce matin que même le réseau téléphonique ne sera pas épargné en cas de coupure. On en parle ce matin avec Louis aux de Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Yves Tréhard du Figaro, bonjour. Et Baptiste Morin d'Europe 1, rebonjour Baptiste. Alors c'est vous qui sortez l'info concernant les réseaux téléphoniques. Qu'on en prenne bien la mesure, Baptiste, hein, les telcos, les, les, les opérateurs de téléphonie, ce sont des services essentiels et malgré tout, on pourrait se retrouver à devoir couper le téléphone cet hiver pour éviter le blackout Oui, ils font partie du réseau, euh, eh bien de, euh, du réseau électrique, tout comme hmm. votre frigo, votre euh, réfrigérateur, votre congélo. Le problème, c'est que on a l'impression que l'État s'en est rendu compte au fil de l'été, alors que les télécoms nous disent tous un par un, on a alerté dès le mois de février, dès le début de la guerre en Ukraine, il y avait ce problème-là, avec en fait un problème de fond, c'est-à-dire que tout est régi par un arrêté qui date de juillet 1990, qui fixe ce qui est prioritaire, ce qui est vital dans le pays. Vous pouvez le trouver sur Internet, sur Légifrance, en hein, cet arrêté. Il n'a pas bougé depuis 1990. Alors les ah, préfets... il, dit quoi, cet arrêté très il, concrètement Il dit d'abord que les hôpitaux font partie des, sites vitaux, évidemment, ils sont nommés, et qu'ensuite les préfets... Alors il y a d'autres, hein, les prisons, euh, les, bases militaires, etc. C'est aux préfets tous les deux ans d'actualiser cette liste-là. Les préfets, ils peuvent le faire, mais ils ont évidemment, bah, tout le monde qui vient les voir en disant il faut nous mettre sur prioritaire, je suis prioritaire, et surtout les industriels parce que l'arrêté précise que les industries sont vitales. Et c'est vrai que certaines sont vitales pour le pays. Il faudrait surtout pas qu'elles s'arrêtent. Sauf que, eh bien, les télécoms n'en font pas partie. Ce que nous dit, par exemple, la Fédération française des télécoms, c'est que ce qui s'est passé depuis 1990 d'abord, eh c'est le déploiement euh, du téléphone mobile. Ça, mhm. c'est très important. Ça a changé nos usages. 90% des appels à des services de secours aujourd'hui, ça se passe par votre téléphone portable. Vous n'utilisez plus la ligne fixe. Et d'ailleurs, si vous demandez à beaucoup de gens, ils n'ont plus de téléphone fixe chez eux. il faut bien voir aussi que les antennes relais, elles sont connectées au réseau sur, sur des lignes. Et si on coupe la ligne, on ne peut pas isoler comme ça euh, telle antenne relais. Et alors, un truc, chose intéressante, Baptiste Morin, vous nous révélez aussi, et vous lisez ça sur, dans votre papier sur europe1.fr, à savoir qu'il y a des batteries d'autonomie pour ces antennes relais en cas de coupure. Pour certaines, en tout cas pour la grande majorité. Or, RTE prévoit des, des coupures euh, de deux heures. Les batteries euh, des antennes relais, elles sont faites pour tenir une demi-heure. Pour tenir 30 minutes au maximum, c'est ce qu'on nous dit, hein. au maximum 30 minutes. Ces batteries, elles sont faites pour euh, pallier à une coupure qui dure une demi-seconde, qui dure une seconde, ce qui permet à l'antenne évidemment de ne pas se couper. Une antenne relais, c'est ce que nous disent tous les opérateurs, ce n'est pas fait pour être coupé, c'est fait pour être mis en veille, ça c'est le plus qu'on peut faire. Mmh. Si vous coupez une antenne relais, il y a eu des expériences qui ont été faites notamment en région PACA, qui est une des régions qui peut être les plus sensibles avec la région Bretagne. C'est les deux régions qui nous sont données comme étant les plus sensibles à des coupures, euh, même en temps normal. Même Bretagne, c'est euh, historique. Hein. ils, sont, en bout de ligne. Euh, ils ont toujours été. C'est une euh, question d'infrastructure. Les expérimentations qui ont été faites dans le sud, sur 80 antennes, il y en avait plus de la moitié où il fallait se déplacer physiquement hmm. pour établir le courant sur l'antenne. Alors merci pour tous ces détails, Baptiste Morin. Vous restez avec nous. Mais Louis aux Alters, je me tourne vers vous. Moi, la première réflexion que je me suis faite en, apprenant l'information de Baptiste hier, c'est ça y est, oh, c'est officiel. La France est un pays du tiers-monde. On a des coupures électriques, un discours certes rassurant de RTE, mais enfin voilà, on en est là. Oui, et c'est un vrai sujet politique du coup, parce que ce sont les faits, mais ça va être aussi le ressenti de cet hiver. Or là, si vous accumulez euh, la défaillance des services publics, c'est-à-dire euh, l'hôpital avec euh, notamment la bronchiolite, l'éducation avec tous les problèmes qu'on rencontre à l'école, et le fait que cet été on a dû mettre des petites, on a dû passer des petites annonces pour recruter des profs. Et là, cet hiver, un service public essentiel parmi les essentiels qui est l'électricité, effectivement, il y aura ce sentiment profond que oui, peut-être pas public aussi. Le transport public, non mais je pourrais en rajouter plein, et je vous laisserai faire la liste après. Elle elle est très longue, mais, vous avez raison. Mm. Euh, il y aura effectivement le sentiment que la France, peut, n'a peut-être pas basculé encore vers le tiers-monde, mais de ce déclassement structurel. C'est-à-dire, c'est pas juste la conjoncture qui est comme ça et qui fait qu'on va passer un mauvais hiver, c'est que les services publics sont laissés à l'abandon et, euh, et effectivement, les responsables politiques seront en première ligne, sachant que c'est tout n'est pas de la faute du gouvernement actuel. On pourrait revenir dessus pendant des heures, mais évidemment qu'on paye les choix de décisions prises depuis longtemps. Alors Yves Tréhard, Le Figaro publie il y a deux jours un papier très très éclairant sur l'état de la souveraineté électrique française. On découvrait que là, on est le 326e jour de l'année. Eh bien, à ce stade, on compte 215 jours importateurs. Ça veut dire que pendant 215 jours cette année, on a importé plus d'électricité que nous n'en avons exporté, alors qu'on prend par exemple 2015. En 2015, la France, c'est 365 jours exportateur. C'est ça qui est aussi euh, en, jeu et, en, mise en perspective. Alors, si vous voulez bien, je vais employer un grand mot. On est face à un scandale d'État. Pour vous, c'est un scandale C'est un scandale d'État euh, de que celui de l'électricité en France, de la fourniture d'électricité. nucléaire. Nous avons une arme, un, outil qui s'appelle l'industrie nucléaire, qui nous a été donné par des décisions politiques au tournant des années 70, euh, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing. Mesmer. On était un des pays les plus puissants en l'espèce et euh, sous prétexte qu'il fallait réduire la part du nucléaire, eh bien, euh, on a laissé tomber cet outil. C'est comme ça qu'il faut. Rendez-vous compte que pour entretenir, le, pour faire le carénage des centrales et des réacteurs aujourd'hui, on est, hein. trop, on est obligé d'aller chercher des soudeurs américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une nation qui est euh, complètement démunie pour entretenir son parc nucléaire, qui est de quelques une cinquantaine de réacteurs, d'une part, et deuxièmement, pour anticiper et pour construire de nouveaux outils. Alors ça, c'est dû à quoi C'est dû à une défaillance des gouvernements, et Louis l'a dit, c'est, c'est pas uniquement ce gouvernement. Il bah, n'y a pas qu'en France, hein, Yves. Hein. Non, non, non, non, mais, regardez, Fukushima, les bien sûr. Fukushima, c'est pas un accident nucléaire. Fukushima, c'est un tsunami qui provoque un accident nucléaire. Mais il y a une telle idéologie anti-nucléaire euh, dans le monde, et, notamment, et en France notamment, entretenue par certaines personnes qui disent n'importe n'importe quoi, alors que c'est une énergie qui est décarbonée, qui n'est pas sans risque, bien sûr, mais on a toutes les, euh, je dirais, toutes les modalités et, tout ce qu'on a, tout ce qu'il faut en main. Et une, une plus, surveillé avec euh, une autorité de sûreté nucléaire qui est absolument hum. irréprochable, qui est hum. complètement indépendante. Quoi. Donc, quand il y a le moindre problème, elle est là pour tirer la sonnette d'alarme. Donc, on a euh, d'une part euh, des choix politiques qui sont des mauvais choix politiques qui datent d'il y a une dizaine d'années euh, avec Monsieur Hollande qui a décidé qu'on passait de 75 à 50% de fourniture d'électricité par le nucléaire, et puis euh, un défaut, si vous voulez, de formation de nos ingénieurs. Et ça, c'est attendez, c'est très intéressant. On est dans un pays où euh, les écoles d'ingénieurs étaient rayonnantes. Aujourd'hui, ce sont les écoles de commerce qui sont rayonnantes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est passé d'une industrie, euh, d'une ère industrielle à une ère tertiaire où on produit des services et où on ne produit plus de matières premières. Alors, Baptiste, vous souhaitiez réagir. Vous avez insisté sur le fait qu'effectivement le nucléaire a eu mauvaise presse. Il revient quand même aujourd'hui très, très, très à la mode. Bon, le fait est quand même qu'aujourd'hui, la France, sans ses voisins, sans solidarité européenne, électriquement parlant, euh, ne s'en sort pas. La question que quand même les gens se posent très concrètement sur le mois de janvier, après les alertes de RTE, c'est mais ces délestages, euh, c'est inévitable. Ils vont vraiment avoir lieu. Et RTE a coutume de communiquer avec énormément de prudence, donc. Euh, début septembre, ils ont voulu rassurer que RTE revoit ses perspectives en disant le risque est accru mhm. pour le mois de janvier, ça veut dire que le risque existe et qu'il va sûrement se traduire par euh, des délestages, évidemment. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'information que vous nous livrez sur la possibilité que lors de ces coupures, le réseau téléphonique tombe, puisqu'il est connecté au réseau électrique, ça fait partie des, découvertes, euh, là, de prises de conscience euh, à, mesure, à mesure que les choses se, précisent. Vous pensez qu'on va avoir d'autres mauvaise nouvelle comme ça de ce genre On va prendre conscience de certaines conséquences de ce. Peut-être parce que ce qui est étonnant, c'est que quand on, contacte les cabinets de chaque ministère, leur euh, réponse est assez étonnante, c'est de dire il y a peut-être plus grave que les télécoms. Sans nous dire quoi, mais ah en nous disant vous n'imaginez pas tout ce que pose comme question un délestage. C'est-à-dire vous pouvez vous inquiéter des télécoms, mais en fait, tout sera coupé ou presque. Et ça donne une idée de l'ampleur de la crise dans hmm. laquelle la France peut être plongée. On pense évidemment à l'industrie, parce que l'industrie qui s'arrête, c'est des conséquences à beaucoup plus long terme. Hmm. Et c'est pour ça que on prend conscience de l'importance du plan de sobriété dont on nous parle tous les jours. On prend conscience des négociations avec l'Allemagne. Pourquoi on négocie autant avec l'Allemagne pour qu'elle nous envoie l'électricité Pourquoi on est d'accord pour envoyer du gaz à l'Allemagne et donc se priver peut-être de gaz qui nous serait hmm. intéressant bah Parce que euh, la France en dépend. Merci Baptiste Morin. On envoie du gaz à l'Allemagne pour qu'elle nous renvoie l'électricité. Vous vous rendez C'est hallucinant, on marche sur la tête. J'envoie sur la une du Figaro, grand, grand portrait de Luc Raymond, le nouveau patron de DF. Il va être nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. Louis, désolé, je ne vous ai pas trop donné la parole, mais euh, c'est pourtant toujours très intéressant. <laughs> La une de, la une de C'est une Allemande, justement, enquête sur Ursula von der Leyen, la très puissante présidente de la Commission européenne. Ah, passionnant. Et son trouble jeu. Merci beaucoup, Louis Osalter. 8h50.